match bi bon c'est avec un grand regret parce que match bi bon les gosses ont joué mais ont manqué de réussite surtout mais aussi il y a des choses qui ont peut-être dinañ ko déployer concernant l'organisation parce que y a ay malentendus et ça vient du commissaire au match et du délégué là c'est déplorable pour zone bi bu pouvez dañ koy dogo a commencer c'est à éviter parce que maintenant, on naa un en cas participer à zone bi mais pas pour saboter mais le gars il est en train de saboter parce que le gars qui a marqué le but en personne ne s'est pas présenté. loolu ñu ngi koy déplorer nag de toute façon rien peut-être bon là où fi ngeen mën a yegg ñun mënuñu fa yegg loolu ngeen ngeen C'est souligner ñu ko bu baax loolu rek peut-être loo n'est bon dinaa ko wax concernant match parce que sport loolu la rek bon très, xëy na besoin de defet la parce que préparé nañu xale yi ñu préparé dans de très bonnes conditions football nañu mais ils ont manqué de réussite quoi hmm. précision surtout du côté de l'attaque mais aussi y am ay manquant de taille yo xamné suñu attaquant pointe bi dafa blessé bon ñu def ak avec dañu obligé suñu excentré mom lañu présenter nous comme comme avant centre mais bon dans l'ensemble, le match bi baax quoi bon franchement parce qu'ils ont réussi mais peut être toujours réussi devant les buts mom mo desoon quoi. bon ñun jeexal nañu présentement parce que def nañu quatre matchs mais même organisation match est parce qu'on a fait quatre matchs Il y a des équipes qui ont bien benn match on a déploré l'organisation, mais ça n'a pas marché aussi. c'est ça. Le match a été prévu, prévu en, 48 heures. Nous sommes obligés au moins de, de faire un regroupement du tout pour venir jouer, pour ne pas faire des sabotages ou bien délaisser les matchs. Quoi. Merci. ok, merci beaucoup, c'est gentil.